Mesdames et Messieurs, il est 20 sur les antennes de la première chaîne du dialogue et c'est parti pour le sommet de cette édition. Le ministère de la Santé et sociale a livré le point du jour sur la situation de la COVID-19, un bilan encore reconnu à la hausse. Vous aurez la réaction du porte-parole du ministère de la Santé et sociale, Mamoudou Ndiaye. Port du masque dans le marché central de Dara, une mesure diversement appréciée par les populations qui sont rencontrées par nos reporters. Vous aurez les réactions au cours de cette édition. Grogne des vendeurs qui sont déguerpis par la municipalité de Dara. Depuis quelques mois, les vendeurs y étaient pour gagner leur pain. Un arrêté donc a été sorti par la la municipalité donc, pour déguerpir ses vendeurs. il ne demande qu'un tout seul pour euh, retrouver de quoi retourner pied. Voilà le sommet de cette édition. Je vous retrouve dans quelques instants pour le développement.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 c'était à l'instant le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Mamoudou Ndiaye, qui était revenu avec nous sur la situation de la pandémie qui a encore euh, dressé un bilan euh, donc revu à la hausse. Nous restons dans ce chapitre avec l'association sportive et culturelle de l'ASC Manco, un quartier de la commune Il Une essayé d'ailleurs qui a voulu, qui n'a pas voulu plutôt être vecteur du virus. Elle a initié donc des activités de 72 heures de sensibilisation donc, et distribution de masques. Ces activités ont été ponctuées ce dimanche donc, euh, avec euh, des distributions de masques. Voici le coordonnateur de l'initiative Aboubakri Nyan qui s'est confié à Baïtiam et Malik Fall. C'est des 110 heures qui ont été organisées maintenant par l'AIC Manco, qui est une AIC qui s'active maintenant autour du mouvement Naïtan. Euh, on a jugé que maintenant le contexte n'était pas opportun maintenant, maintenant pour organiser maintenant des Naïtan. Et on s'est dit pourquoi pas euh, à l'occasion maintenant de cette pandémie, pourquoi pas maintenant ne pas euh, participer maintenant aux activités maintenant citoyennes. C'est dans ce contexte que l'ASC a jugé utile maintenant d'organiser ces 110 heures qui s'articulent maintenant autour euh, de trois journées. La première journée consistait maintenant à désinfecter maintenant les édifices publics maintenant du, quartier. la deuxième journée était consacrée maintenant au reboisement qui a été fait ce samedi. Et aujourd'hui, on a terminé maintenant avec une caravane de sensibilisation euh, pour la lutte contre la Covid, euh, articulée maintenant avec distribution maintenant de, masques et de, maintenant de kits euh, à travers maintenant les artères de la ville de Dara. Environ, on a distribué 5000 masques en tout et pour tout. On a y 350 plans. Et pourquoi maintenant ce reboisement C'est maintenant pour répondre maintenant à la politique euh, du président de la République qui parle maintenant de la reforestation du pays. Et on a jugé utile aussi à Dara euh, de, maintenant, maintenant ce reboisement. Oui, la première journée, on a eu à désinviter les lieux de culte, les lieux plus, à savoir maintenant la grande mosquée de Dara, euh, que le quartier abrite, l'école municipale, c'était la veille maintenant des examens CFE et maintenant le poste de santé euh, d'arrêt municipal qui se trouve maintenant au sein du quartier. C'était le coordinateur de l'initiative Corona Vétan qui s'est exprimé sur nos antennes pour donc faire le point des 70 heures d'activité qui ont été tenues euh, par l'initiative euh, Corona Navetan. Nous parlons euh, plus tôt, nous parlons de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en sixième donc, qui a pris fin ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 200 000 candidats ont été convoqués et repartir dans 1721 centres d'examen à l'instar des autres localités du pays l'inspection de l'éducation et de la formation de Lingara. L'examen a été très bien déroulé. À Darajolof, 7 centres d'examen donc où 1223 candidats ont été donc répartis. Voici l'inspecteur Boubou pour rappeler le chef du district pédagogique de Dara qui s'est confié à Malik Fall et Sidi Aujourd'hui, c'est le démarrage euh, de l'examen du CFE et de l'entrée en sixième. Euh, nous venons exactement de terminer la visite au niveau de l'ensemble des centres de, la commune de Dara. Nous avons au niveau de cette commune sept centres et nous avons fait le tour. Donc il faut dire dans l'ensemble que ce qui a été dit au niveau du CDD par rapport aux mesures qui devaient être prises au niveau de ces centres, nous avons trouvé exactement que tout a été respecté. Nous avons sept centres comme je l'ai tantôt dit, euh, presque il n'y a pas eu, il y a un faible taux d'absence au niveau de ces, sept centres. Euh, il faudra dire qu'il y a une présence massive des candidats. Euh, c'est seulement peut-être au niveau de quelques centres que nous avons trouvé des absents. peut-être il faut noter au niveau de Darambayen, où nous avons eu huit absents. Euh, et c'est le nombre d'absents le plus élevé au niveau des sept centres. Par contre, dans les autres centres, euh, les candidats ont vraiment composé, euh, ils sont en train de composer au niveau de l'ensemble des matières qui se déroulent depuis ce matin. L'inspecteur départemental avait beaucoup insisté sur le respect de ces mesures barrières. Et c'est ce que nous avons constaté. Et là, pour préciser, il y a la Croix-Rouge qui a devancé les candidats au niveau de l'ensemble des centres. Parce que l'ensemble des centres de la commune que nous avons visités, nous avons vu qu'il y a un dispositif qui a été mis en place. Donc, dispositif de lavage des mains. Il y a aussi un thermoflash. Il y a le respect de la distanciation physique. Parce que ici, même bien avant même le coronavirus, la, euh, la COVID-19, il y avait euh, en composition, en examen, un élève portable. Et maintenant, il y a un élève portable qui est respecté, mais il y a encore la distanciation physique. Donc dans l'ensemble des classes, c'est ce que nous avons constaté. À l'instant, l'inspecteur Bouboucham, chef de district pédagogique de Dara, qui a fait le tour de ses centres pour euh, faire l'état des lieux du débarrage donc du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entente 6e. Autre chose de l'actualité avec les vendeurs d'Ekerpie aux alentours de la station totale de Dara de la fois. Et donc ces vendeurs qui leur le bol après la décision qui a été prise par la municipalité. Une seule journée donc leur a été déjà obligé donc d'y vendre. Ils demandent aux, autorités municipales de leur trouver un notre lieu. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour donc les rencontrer. Voici la réaction de quelques-unes qui sont rencontrées par nos reporters Amidjei et Malik Fall. Comme vous venez de le constater à nous, nous sommes déguerpis par la municipalité d'Ara depuis un certain temps, nous avons été ici pour gagner du pain. Tout ce que nous réclamons à la municipalité, c'est de nous trouver juste un lieu pour avoir de quoi retourner pied. Et vous voyez, il y a une seule journée qui nous a été autorisée vraiment d'en venir installer, seulement le jour de dimanche. Mais vous voyez, avec euh, tous les autres six jours de la semaine, nous sommes sommés quittés du lieu. Nous demandons de l'appui à la municipalité pour que nous nous trouvons euh, vraiment donc de quoi retourner pied. à l'instant les décrépits de ces alentours qui se sont exprimés. Et du côté donc des autorités municipales, elles ont été contactées par la rédaction, par la rédaction de l'univers de la TV. Mais donc euh, elles ont fait savoir que maintenant donc la euh, donc décision a été prise lors d'un décret en 2014. Maintenant donc la municipalité n'a pas encore trouvé un site lieu de recasement donc pour ces vendeurs. Les pour parler seront également donc enclenchés prochainement pour trouver euh, des solutions face donc à cette situation que traverse vendeurs qui ont été déguerpis de ces lieux. Autre chose de l'actualité locale, toujours ouf de soulagement, toujours pour les plations donc, de la ville de Daradjolof, celle notamment donc, riveraines de la route nationale 3 qui ont poussé ouf de soulagement. C'est en raison donc, de quelques donc, 75 lampes qui ont été installées sur la route nationale numéro 3. C'est une initiative de la municipalité d'Ara. Euh, cette initiative entre dans le cadre donc, du programme d'éclairage public. Un donc, des habitants d'un des quartiers traversés par la RN c'est confié donc à nos reporters suivants au micro de euh, Sidi Thiam et Amidjei. C'est un ouf de soulagement. Nous qui sommes euh, quand même riverains de cette euh, traversée, vous savez que la route nationale numéro 3 a traversé plusieurs quartiers de la commune de Dara, y compris le quartier Nerlé. Là où nous sommes maintenant, vraiment, donc c'est un ouf de soulagement, nous qui sommes à ce niveau. Mais sentir mais voilà, l'enzyme tournal ba sax luy génn dama koy dama koy il mu dal xel vraiment ce que je lance comme appel pour les municipalités c'est juste avoir de très bons suivis pour ces genres de réalisations. Vous savez que c'est très beau même quand même donc d'initier et d'investir, mais également il faut très bien suivre les actes. Parfois aussi, cela donc euh, permet mieux pérenniser les initiatives et les réalisations au niveau de cette commune. C'était donc la réaction de quelques citoyens des quartiers riverains de la route nationale numéro 3 avec donc euh, quelques 75 lampes. C'est l'initiative de la municipalité pour rappel, donc, nous restons même d'ailleurs dans ce chapitre avec le président du regroupement des chauffeurs de Dara qui a interpellé les autorités municipales pour ces lampes donc, euh, afin que la gare routière de Dara soit très bien éclairée. Euh, selon donc, le président Tal qui a été rencontré par la rédaction de l'Univers de TV. Donc, euh, les, la mise, donc, le mise en point plutôt donc, a été bien faite avec les autorités. Incessamment, des lampes seront installées dans la gare routière de Dara Voici Tal le président du le regroupement des chauffeurs de Dara s'est confié à Malik Fall et Sidi ah, c'est un geste à remercier la municipalité d'Ara qui a vraiment conjugué ses forces. Maintenant, comme vous venez de le constater, vraiment l'éclairage public est de mise aujourd'hui. Moi qui suis le président du regroupement des transporteurs d'Ara j'ai très bien quand même apprécié l'initiative de la municipalité. Euh, je viens tout juste de quitter avec les autorités, c'était juste pour les signaler que la gare de Dara. Également, ce sont les rassurances de la municipalité. Il y aura également des lampes qui seront installées pour que l'éclairage trouve son rendez-vous au niveau de la gare de Dara. En tout cas, je suis content de Et nous parlons toujours de l'actualité locale avec ce focus euh, donc sur le port du sur le port plutôt de masques dans la commune de Une mesure qui est diversement appréciée par les citoyens qui ont été rencontrés par nos reporters. Si certains soutiennent que donc le port du masque parfois donc euh, pose des problèmes de complications respiratoires, d'autres donc soutiennent le contraire et disent que d'ailleurs donc c'est l'une des mesures qui permet d'ailleurs qui permettent plutôt de bien contraindre donc l'avancée de cette pandémie. Suivons donc ce reportage réalisé par Amitié et Serinjam. la situation actuelle de cette pandémie euh, qui persiste, vraiment je salue toutes les dames que je suis en train de rencontrer au niveau du marché et qui respectent vraiment le port des masques. Je ne dis pas aux autres qui ne portent pas le masque, mais je les invite à porter le masque. Parce qu'actuellement, c'est la seule alternative qu'on peut utiliser pour barrer cette pandémie. Franchement, je salue l'initiative de pas mal de jeunes. Hein. Je peux citer l'exemple des jeunes de Bokodium, l'exemple des jeunes de Manco, pas mal de jeunes de la ville qui sont en train de faire non seulement des sensibilisations, mais qui sont en train de distribuer gratuitement des masques. Ça, moi, je tenais bien beaucoup à le dire. Je n'avais pas eu l'occasion de le dire, parce que moi, je suis le vice-coordonnateur du Bokodiom Group, coordonné par Khalid Salah, que je salue au passage. Mais j'ai vu vraiment que depuis le début de cette pandémie, que ces jeunes-là sont en train d'abattre un travail vraiment très important. La sensibilisation, socialement, ils sont en train d'aider les gens, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aider les gens socialement. Ce qui est important maintenant, c'est de respecter les mesures barrières. C'est la seule alternative. Et j'invite tout le monde à respecter les mesures barrières. Principalement le port du masque. Non seulement au lieu public ou bien moi je dis que je vous propose à ce que tout le monde le porte every day, tous les jours, jusqu'à ce que ce truc qui nous gangrène disparaisse complètement. L'unité de coordination des gestions des gestion de déchets solides UCG est venue en appui à la municipalité de Dara pour une opération d'assainissement dans la ville. Une opération cinquième du genre qui va durer cette fois-ci cette 13 jours dans la ville de Dara de la Donc selon les autorités municipales donc, euh, qui, ont, qui plutôt démarché donc, euh, avec l'UCG euh, pour que donc, la ville encore soit donc, bien donc, plutôt bien propre donc, parmi d'ailleurs celles plus propres donc, au Sénégal pour rappelle donc l'opération 5e du genre donc, a été pilotée par le coordinateur donc, Paul Djurbel Louga. Mamoudou John qui était venu, il, il présidait donc, la cérémonie donc, du démarrage. Mamoudou John, le coordinateur du Paul UCG Louga Djurbel qui s'est confié à Malik Fall et Sidi Djam. Nous sommes à Dara dans le cadre euh, d'accompagner les collectivités territoriales, en l'occurrence la commune de Dara, pour euh, une gestion efficace euh, de la gestion, pour une gestion efficace des ordures. Donc nous étions il y a de cela une semaine donc sous les instructions du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique pour élaborer un plan d'intervention, de nettoiement et de pérennisation pour la commune de Dara qui consiste à euh, géolocaliser tous les dépôts sauvages qui se trouvent à Dara ainsi que les décharges, euh, de prévoir un dispositif euh, lourd donc pour éradiquer tous ces points-là, mais également de prévoir un plan de pérennisation des acquis qui ont été obtenus euh, à, la fin de ces opérations. TG a déployé un bulldozer D8 et une pelle mécanique 966 et trois camions de 20 mètres cubes, donc pour une durée de 10 jours. Il est également prévu de faire un peu de désensablement dans euh, l'artère principale donc, qui passe devant la mairie pour une durée de 13 jours pour nettoyer carrément la chaussée. Donc les opérations vont durer 13 euh, jours. C'était à l'instant Mamoudou Moussafa John qui est le coordinateur, euh, qui le coordinateur Paul Djurbel Louga de l'unité de gestion, l'unité de coordination des gestions solides UCG. Et nous restons donc avec eux, avec le premier adjoint donc, euh, de la mairie de Dara Ousseinou D'ailleurs, pour rappeler, c'est lui qui est l'invité de la rédaction donc, euh, dans l'édition, voilà, juste après donc, le 20h. On termine ce point avec l'actualité internationale qui nous conduit au Mali, quelques jours après l'arrestation, plutôt la démission de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta donc, euh, sur, sous pression donc, des militaires donc, euh, qui, ont, euh, qui ont plutôt donc, orchestré un coup d'État. Pour rappel, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait annoncé donc, même la démission du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Depuis lors, Ibrahim Boubacar Keïta est sous les mains de l'armée malienne. Des pourparlers donc, sont entamés par des organisations, donc, par exemple, sont entamés par la CDAO, l'UA et donc l'Organisation des Nations Unies. Mais jusque-là, donc les militaires n'ont pas encore livré Ibrahim Boubacar pour rappel, donc samedi, la commission de la CDAO donc, est, était donc au Mali pour rencontrer le président Ibrahim Boubacar, l'ancien président Ibrahim Boubacar mais également la commission a rencontré donc la junte militaire. Jusqu'à maintenant, les pourparlers sont en cours et ils seront donc euh, continués ce lundi pour que la crise donc malienne trouve solution. Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Bonsoir à tous. mbokk yi téléspectateurs yu Univers Jolof TV ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bekk bi programme tey nag la ñu daal di ànd ak mbégte euh, moom lañ daal di taftal ci maire bu koy bàyyi ak mbokk yi téléspectateurs Univers Jolof TV Ousseynou Ndiaye ñu ngi leen nuyu bon merci beaucoup gannaaw bi ñu sant yàlla julli si Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di nuyu d' abord di leen féliciter si liggéey bi rafet bi nga xam ne yéen koy def euh, di wax ne vraiment tey jii am nañ mbégte ak kontaan te di seen teewaay fi tey. voilà donc euh, monsieur le maire gis nañ ne nag fan yi am na ci ay opération yoo xamante ne jëm ci ay lamp yees yu ñu daal di nag euh, def ci biir commune bu Daara rawat na ci route nationale bi mu nekk nag ay lamp yoo xamante ni euh, mbir mi gis nañ na door ngeen ko waaye tamit opération yi jeex na ci alxames yi mu doonoon nag loo xamante ni lu lu yàgg la askan doon ko saytu est-ce que tey mën nga dikk ak ñun yële opération naka la demee ndax mairie bi moom moo génne xëy na xaalis ci gafagam wala peut-être municipalité bu Daara ay partenaires ngir xëy na peut-être mën a daal di a ñongal leeraay bi ci biir dëkk bi Euh, c'est un programme de 75 vraiment lanternes. lanterne avons euh, commencé à initier monter ko de dëkk Nous euh, muy ay lampe de dernière génération Nous muy LED de 150 watts donc actuellement nous avons ngeen gis ni vraiment Nous monter ko mu nekk loo de ni parce la population est contente d'être d'accord avec ce programme voilà euh, euh, am na solo donc ci leeral yooyu euh, mais nag monsieur le maire ñu des nag ci lamp yu ba léegi ndaxte gis nañ ne lamp yi comme ni nga ko waxee léegi toll na ci juróom-ñaar fukk maanaam 75 lamp yoo xamante ni dañoo nemmeeku rek ci route nationale bi ca la ñu ca la ñu ko daal di samp alors te gis nañ ne Daara Djolof aussi am na ci koñ yoo xamante ni vraiment lëndëm na lool ndax projet bi nga xamante ni municipalité bu daal nag sumb na ko ndax yen am na leneen yeneen ci ay lamp yoo xamante ni nam ngeen ko dugal ci biir dëkk bi ci yeneen quartier yi ngir su ko defee nekk askan wi seen xel mën a dal wala juróom-ñaar fukk ak lamp yi ak juróom yi donc ngeen amoon tey nag fas yéene koo def ci route nationale bi waaw si bëgg-bëggu maire moo ñu yaatal ko d' abord si biir quartier mais d' ñu def ko si route nationale bi parce que nekkoon na doléance boo xam ne yéen ñëpp vraiment te ngeen seen bët euh, Nous avons des instructions instruction au Sénélec pour nous, résoudre différents quartiers parce que ce que nous avons fait, c'est que mais euh, contacteurs en général je pense que si nous les lignes nous ñu que euh, lanterne également mais pour l'instant 75 lampes d'air, nous ñu def ko nationale mais si nous bëgg également mooy ñu euh, des différents quartiers. waaw dañu nag euh, monsieur le maire euh, suivre waxtaan ba ci kanam ndaxte am na lu ci am solo nag lu ñu bëgg a na waxtaan ak yéen ba léegi nag euh, comme aussi dafa am lu leen dénk mooy lii di mairie bu Daara Jolof ndaxte fan yi nag gis nañ ne ay jaaykat yoo xam ne ñoom nekkoon nañ lu wër ci station Total bu Daara Jolof waaye yéen ab arrêté boo xamante ni jëloo ngeen ci atum 2014 nag da ngeen képp kuy jaay ci li wër station ba lu ñu mel ginnaaw na yow leen daal taftal ci bile maire di Momar Ndiaye Mawo tey ndax mën nga xëy na dëggal suñu antenne nag boobu la arrêté lu wér la daal di ci béréb boobu beneen bi ndax yéen jamono ji nit boo ko yëkkatee fii da ne ko nag toogal fii ndax aussi municipalité bi prévoir na ngir xëy na am na fu mu leen teg en attendant ñu xool ngir su ko defee ñoom ñu daal di ñëw au gis nga ni ñu ko diggee piré woon parce que gis ngeen également ni meloon maire jël benn arrêté vraiment ñu interdit ñi nga xam dañuy jaay euh, ci wetu vraiment station bi. ñu autoriser leen également ne leen dimanche kese ngeen am droit jaay foofu bu dimanche bi jeexee également da ngeen di dem ngeen seeti feneen parce que mesure de sécurité la parce que booru tëli euh, kenn waru si jaay parce que tey maire bu seetaane tey nit ñu jaay fa yàlla tere yàlla tere ba oto ñëw vraiment mbëkk fa kenn dañ naan vraiment commune bi moom moo deful liggéeyam moo tax vraiment ñu waxtaan ak ñoom ne leen daal buñ sañoon fii ngeen di jaay ngeen dem seeti feneen

xam naa nag euh, dañuy rek samp laaj bu mujj ci waxtaan bi mu nekk lu jëm ci wàllu mbalit mi gis na ne fan yi am na ci benn opération boo xam ne yéen xëy na sumbal ko ak waa UCG ngir su ko defee nag daal di mën a euh, indi li nga xam ne moom mooy ak cet ci dëkk bi ndax na mën nga dikkaat ci opération yi ndax mbir mi jeex na ndax UCG donc jamono ji la leen euh, doxoon si diggante ak ñoom matal nañ ko waaye tamit ndax présentement sites yi nga xamante ni xëy na sa ngeen jëlee mbalit mi daal di ngeen nag jàpp beneen béréb boo xamante ni mbalit mi ngeen jot nag jële foofu fa ngeen ko fas yéene yóbbu waaw également UCG ñëwoon nañ fi pour jàppale commune de Daara parce que di sites la ñu programmé woon pour jël ko dix sites yooyu ñoom ñoo nekkoon pratiquement sites yi gën a am doole fii si Daara euh, ñu waroon fee def treize jours vraiment pour mën a jël mbalit mi yóbbu ko au niveau de du carrière comme ça nga xam ne suñ paree ñu mën a jël bill bi comme ça pouse leneen li nga xam ne moom moo si des d'ailleurs suba def naa la ñu war a terminer seen liggéey. muy loo xam ne encore une fois ñu ngi koy rafetlu di leen féliciter di féliciter vraiment UCG ci accompagne bi nga xam ne mu ngi koy accompagner commune Daara depuis 2014 ba léegi. di ñaax population bi rek pour que euh, maanaam gestion mbalit mi ñu jël ko def ko seen moomeelu bopp ba ñu jël mbalit rek fu nekk ñu ko fay sànni en retour ñuy wax ne maire yi moom moo deful seen liggéey ñu ngi leen di ñaan daal vraiment ñu feey ci loolu quoi kon xamna ni monsieur le maire dañ lay jaajëfal vraiment ci interview bi ñu daldi di accordé ci invité de la rédaction fofu nag lañu daldi daal di waxtaan bi ndaxte waxtu bi jamono ji mo ñu dab ci donc euh, li nga xamante ni moom ay leeral yi nga daldi indi ci jéego yi nga xam municipalité bu Daara daal dina ko def ci walum éclairage bi waye tamit ci mbaline mi ba ci tamit tontu yi nga xam nag indi nga ko jëm ci nga xam nag euh, municipalité bi mo leen daldi di ci station Total bi ak li ko war kon jàngeen jëf yeen ñi daldi téwlu teewlu programme Univers Djolof TV jox leen dig daje inshallah ak beneen gan ci beneen invité de la rédaction suba ak jàmm jërë ngeen jëf